Que doit faire un enseignant? L'éducateur est la source du civisme, du bien. Que les enseignants dispensent normalement les cours au niveau des écoles françaises, tout comme coraniques. Mais que le gouvernement aussi sache que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir il faut bien le gérer et gérer ceux que vous dirigez, mais avec pitié. car c'est seule la condition que vous devez remplir pour trouver des solutions à vos problèmes. Chacun sera jugé demain sur les actes qu'il aura posés dans sa mission sur Terre, le jour du jugement dernier. loo xam ne day ne mu bàyyi ko mu am lu mu koy sanctionné mooy yowmal qiyaama